le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum Le programme du Studio Kalangou se poursuivent et c'est l'heure du forum du Studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre euh, fidélité à nos programmes. C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute du Studio Kalangou à travers la vingtaine de radios partenaires qui relaient nos émissions à travers le Niger. Le forum de ce soir sera axé tout d'abord sur la fête du 3 août, fête de l'arbre commémorant la fête de l'indépendance du Niger, une fête qui, je le disais, est appelée également fête de l'arbre. À suivre un entretien sur l'importance de la plantation d'arbres envie de promouvoir les espaces verts et lutter contre la désertification dans ce pays. Hier au Palais des Sports s'est tenue une conférence sur le thème Les avancées de la Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap à l'aube des objectifs du développement durable. Cette rencontre fait suite à la célébration de la journée nationale des personnes en situation de handicap le 31 juillet dernier. À suivre dans ce forum le secrétaire général de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Et puis volet sanitaire, nous parlerons ce soir de l'hypertension, une maladie cardiovasculaire. À suivre aussi dans ce forum un entretien que nous a accordé la responsable de l'ONG FEV, femmes et enfants victimes de violences familiales sur le phénomène d'abandon de nouveau-nés. Bonsoir à tous et bienvenue à, dans ce forum célébration demain 3 août de la fête nationale de l'arbre, aussi fête de l'indépendance du Niger. Une occasion que saisit généralement les autorités pour la plantation d'arbres dans le but de promouvoir les espaces verts de plus en plus menacés. Un exemple parlant de cette disparition des espaces verts, la ceinture verte de Niamey, un héritage de plus de 30 ans. Suivons Sani Ayuba, directeur exécutif des jeunes volontaires pour l'environnement JVE, au micro de Mariama Diallo nous, notre euh, habitude, notre tradition de plantation est différente de la tradition officielle parce que nous, euh, lorsque nous plantons, nous mettons à la disposition des, clôtures également et nous sensibilisons les, les communautés riveraines autour euh, des espaces ou des endroits où nous plantons pour qu'ils puissent s'en approprier et procéder en tout cas à l'entretien parce que nous, nous sommes convaincus qu'il ne s'agit pas justement de planter, mais il faut aussi entretenir parce que pour bénéficier d'un arbre, des avantages de l'arbre, il faut que l'arbre puisse grandir et pour que l'arbre puisse grandir, il faut l'entretenir. Donc c'est pourquoi nous mettons vraiment un accent particulier sur l'entretien en faisant en sorte que ceux qui vivent autour des arbres que nous plantons, qu'ils puissent eux-mêmes s'en approprier et faire de ça leur propre activité ou bien pour des questions de service et même pour un intérêt personnel, il est important que les gens puissent comprendre que la plantation que nous faisons, c'est pas pour les associations, c'est pas pour les gouvernements, c'est pour eux-mêmes. Mais est-ce que après vous avez le retour de ce que sont devenus ces arbres Est-ce que vous, vous retournez, vous constatez qu'effectivement ces, ces riverains, comme vous le dites, se sont appropriés ces arbres Non, souvent le constat est un peu triste hein, parce que les gens Abandonne. Comme je l'ai dit, c'est souvent des questions de civisme parce que pour la majeure partie des gens, c'est pour l'État, c'est pour la mairie, c'est pour euh, la municipalité, etc. Donc les gens disent que non, non, nous, ça ne nous regarde pas, on n'en prend pas soin. Et c'est pourquoi nous avons changé de stratégie. Avant de planter, parce que les années antérieures, nous nous ciblons des endroits spécifiques et nous partons d'abord demander aux communautés riveraines eh pour dire est-ce que vous allez vous engager si nous vous plantons avec des clôtures, tout ça, est-ce que vous allez vous engager pour la suite de l'entretien. Et Après cela, nous procédons maintenant à la la plantation et en nous mettant des grillages, tout ça pour clôturer, pour qu'ils en prenne soin. Mais ce qui se fait à chaque 3 août, c'est des plantations de masse où on mobilise les politiques et tout ce qui s'ensuit pour juste planter. Et après, euh, on se dérange pas mal aussi de l'entretien, ce qui fait que souvent ça ne réussit pas. Souvent, vous avez toujours l'impression qu'on fait un éternel recommencement. De 115 ans maintenant, si on imagine le nombre d'arbres que nous plantons par année, nous devons avoir un pays suffisamment vert. Mais le constat est un peu triste. Et même et même euh, ce que nous avons, les espaces verts que nous avons déjà sont en train d'être menacés. Vous n'êtes pas sans le savoir par rapport à la question de la ceinture verte ou bien d'autres espaces verts que nous avons qui sont confrontés à de nombreuses difficultés liées vraiment aux activités humaines. Quand vous parlez d'activités de, d'activités humaines, vous pensez à quoi Moi, je pense euh, d'abord à la pression démographique. Par exemple, quand on prend le cas précis de la ceinture verte, qui est supposée être le poumon écologique de la ville de Niamey, qui est devenu le dépotoir de, de la ville de Niamey à cause des tas d'immondices ou en tout cas les déchets qu'on y trouve. Il y a également la question de, euh, de la sécurité. Maintenant, la ceinture verte, à des moments, tu as même peur d'y traverser parce que il y a des bandits ou il y a des voyous dedans. Il y a aussi la question cruciale ou bien la question fatidique de, euh, du morcellement c'est un endroit qui a été classé depuis des années, mais maintenant qu'il soit en train d'être déclassé pour utilité publique, ce qui n'est pas sans conséquence par rapport à, la question des départ. Pourquoi nous avons, pourquoi l'État a consenti à créer cet espace vert au milieu de la ville de Niamey Est-ce que c'est parce que les gens ne connaissent pas l'importance de la ceinture verte ou est-ce euh, la faute euh, des, autorités euh, que les gens ignorent en réalité l'objectif pour lequel la ceinture verte a été créée Oui, je pense que il y a ces points de vue aussi, il y a cet aspect parce que souvent dans la création, les gens ne sont pas consultés ou associés. Je me dis que les responsabilités sont partagées. Chaque personne, les riverains, ont, euh, les comités riverains ont une responsabilité. L'État a sa responsabilité, les municipalités ont leur responsabilité, la société civile à travers nous autres acteurs qui sont sur cette thématique nous avons aussi notre responsabilité. C'est pourquoi moi j'en appelle à ce qu'il y ait des comités ou bien en tout cas des, structures de gestion multi-acteurs de ces espaces. Parce que ailleurs c'est comme ça que ça marche. Il faudrait amener tout le monde autour d'une table pour dire bon voilà nous avons un bien commun. Comment faire en sorte que ceux qui sont dans le privé, ceux qui sont dans le gouvernement, ceux qui sont de la société civile, les communautés qui vivent autour commencent à s'asseoir ensemble pour trouver une solution pour gérer efficacement et profiter de l'espace vert. Parce que c'est un espace vert qu'on peut aménager, faire des parcs de loisirs, des distractions ou même permettre aux gens d'aller un peu se déstresser souvent avec le stress de la ville. Mais quand on a un espace comme ça ou qui est naturel, on peut mettre des animaux dedans, on peut mettre beaucoup de choses dedans. On a vu des exemples dans beaucoup de pays qui ont des espaces comme ça. On peut aussi faire ça, même de créer du business à l'intérieur, parce que si l'endroit est assez aménagé, il y a des parcs dedans, il y a des fontaines, etc. Les gens peuvent même payer pour entrer, sécuriser surtout l'endroit, même s'il faut installer des forestiers à l'intérieur pour que celui qui traverse ou bien celui qui passe se reposer dans la ceinture verte se sent véritablement en sécurité. Ceux qui ont construit des dents aussi, qu'on puisse les dédommager s'ils ont suivi, je sais pas par quel, ils ont eu des actes, tout ça pour construire, qu'on puisse les dédommager et maintenant récupérer les espaces qui ont été achetés par des particuliers. Vous savez, dans les villes, avec la pollution, avec beaucoup de phénomènes, il faut qu'il y ait des espaces comme ça qui peuvent permettre à travers les arbres, parce que l'arbre a un potentiel assez important dans le maintien même de la température, dans le maintien même parce que s'il n'y a pas d'arbre, il ne peut pas y avoir de pluie. Et même maintenant, dans notre contexte actuel de changement climatique, de désertification. Donc on ne peut pas, en tout cas, citer eh, les avantages que eh, le fait d'avoir des arbres par peut servir. Donc c'était pour permettre vraiment, comme je l'ai dit, à la ville de Niamey de mieux respirer, pour réguler même la question du, de, la pluie. Vous voyez les cycles de l'eau, les rôles que les arbres jouent. Et maintenant, même dans le cas du changement climatique, les arbres, les forêts constituent ce qu'on appelle des puits carbone que beaucoup de pays sont en train de valoriser et récupérer de l'argent parce qu'ils ont des forêts qui séquestrent le carbone. Annuellement, ça séquestre telle quantité de carbone on peut valoriser ça et réclamer de l'argent sur les plans internationaux qui peuvent même permettre ou bien être réinvestis dans la sauvegarde, dans l'entretien ou la gestion de cet espace. Est-ce que, à part la ceinture, uvette la ville de Niamey dispose d'autres euh, euh, espaces verts Pas exactement, mais je sais qu'il y a par exemple des bosquets. Il y a les bosquets des Nations Unies à côté de, euh, de, Mairie Garage. Est-ce qu'on peut dire que le Niger est menacé par la désertification Au début, même depuis toujours, nous savons que le désert est en train d'avancer Aujourd'hui, quand vous regardez même le fleuve est ensablé. Non, c'est parce qu'il y a énormément. Et s'il n'y a pas d'arbres, vous voyez la poussière, le vent, les vents violents, tout ça. S'il n'y a pas d'arbres qui peuvent limiter leur vitesse, ne peuvent que emporter, euh, amener beaucoup de sable. Et là, c'est ça, là, le phénomène de la désertification. Il y a plusieurs aspects. Il y a l'érosion, tout ça. Mais s'il y a des arbres, les arbres peuvent freiner. Aussi, même sur les dunes qu'on a, on peut installer des brise-vents tout ça. Donc, c'est des aspects, c'est des technologies ou bien des choses simples qui existent. Mais il faut que les communautés s'en approprient. Il faut que l'État mette les moyens. Il faut que tous les acteurs puissent comprendre que nous n'avons pas plusieurs euh, Niger. On n'a qu'un seul Niger et nous avons cette responsabilité et ce devoir de préserver l'environnement actuel, de sauvegarder ça pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Parce que nous, aujourd'hui, on est là, en profit de la ceinture vente. Si on coupe tous les arbres qu'il y a, on met les deux poteaux là-bas, les générations qui viendront après nous, qu'est-ce qu'ils vont retrouver Donc c'est un peu dommage parce que nous, nous avons hérité ça. Puis les années 114, 115, quand ils ont commencé à faire ça, ceux qui ont planté ça, aujourd'hui, ils n'en bénéficient pas. Donc il faudrait que nous aussi qui, qui profitons un peu, on puisse sauvegarder ça pour laisser l'héritage aussi euh, aux générations futures. Et c'est ça le contexte même du développement durable. Le Niger s'est engagé partout dans le monde pour promouvoir euh, le développement durable, pour qu'il y ait vraiment une équité intergénérationnelle, pour que les besoins que nous sommes en train de satisfaire, nous ne puissions pas les satisfaire et oublier ou compromettre les générations futures à satisfaire également leurs besoins. Monsieur Aywa, merci. Vous venez de suivre euh, Sani Ayouba, directeur exécutif euh, des jeunes volontaires euh, de l'environnement JV, e, répondant aux questions de Jello Maria Makenda. À l'occasion de la célébration de la Journée nationale des personnes en situation de handicap célébrée chaque 31 juillet, la Fédération des personnes handicapées a organisé hier une conférence sur le thème Les avancées de la Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap à l'aube des objectifs du développement durable. Laurent Ibrahim Gado s'est entretenu avec Sido Nuhu secrétaire général de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Cette journée a été mise à profit pour que nous nous interrogions qu'est-ce qui a été réalisé dans les huit années précédentes en perspective aux objectifs de développement durable, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les personnes handicapées soient pleinement intégrées. Dites-nous, quelle est la particularité de cette journée la particularité de cette journée, c'est qu'on met le focus sur les personnes handicapées et sur toutes les personnes handicapées, celles vivant dans les zones rurales que celles aussi vivant dans les zones urbaines. Parce que le plus souvent, quand on parle de droits on oublie les personnes qui vivent dans les communautés rurales, qui constituent quand même 80% de la communauté des populations ici au Niger. Alors, on met le focus sur les personnes handicapées. Cette année, j'ai dit, on s'interroge sur qu'est-ce qui a été réalisé en relation avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées et maintenant fixer en tout cas des objectifs ou euh, la stratégie à mettre en œuvre pour que les personnes handicapées durant les 15 années de mise en œuvre des objectifs de développement durable soient pleinement euh, pris en compte. Qu'est-ce qui explique cela Ce qui explique cela, c'est l'engagement d'abord des autorités au plus haut niveau, mais aussi le militantisme et l'engagement de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Nous avons, depuis en 2011 que nous avons été institués de la mission de conduire la Fédération des jeunes des personnes handicapées, nous nous sommes engagés dans une mobilisation sans précédent pour réaliser les droits pour toutes les personnes handicapées. La Convention est venue nous renforcer et notre engagement a été d'autant plus fort qu'on est reconnu en Afrique de l'Ouest, je vous dis, notre fédération a le lead de la Fédération ouest-africaine des associations des personnes handicapées. Notre président est également vice-président de l'African Disability Forum, le Forum africain des personnes handicapées. Nous sommes vice-présidents et notre président est également conseiller, n'est-ce pas, au niveau du président de l'Organisation mondiale des personnes handicapées. Nous nous sommes mobilisés. On a demandé à toutes les personnes handicapées euh, d'être à nos côtés. Elles nous ont écoutés nous ont fait confiance et aujourd'hui, nous avons l'écoute de nos autorités, nous avons aussi l'estime et la confiance de l'Afrique de l'Ouest et au par-delà l'Afrique de manière globale et même, comment dirais-je, euh, au niveau du monde entier. Récemment, le rapporteur des Nations Unies sur le handicap a visité la Fédération nigérienne des personnes handicapées et il a été reçu par la première dame, Dr Malika, et le rapporteur des Nations Unies sur le handicap a confié à la première dame que les personnes handicapées du Niger ont modifié la carte du monde et ont inscrit le nom du Niger à un niveau honorable. Parlez-nous de l'exposition de ce soir. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une conférence exactement sur les avancées de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Pourquoi Parce qu'il faut, chaque fois, quand vous ratifiez un texte, il faut se demander qu'est-ce qu'on a réalisé de positif. Et tout de suite, dans les questionnements, nous nous sommes demandés Qu'est-ce qui a été réalisé pour les personnes handicapées dans les zones rurales 80% des personnes handicapées au Niger vivent dans les zones rurales. Qu'est-ce qui a été réalisé Quelles sont ces réalisations Pour ces personnes, on peut dire rien du tout. Pour la majorité des personnes handicapées qui vivent dans les zones rurales, la Convention n'a encore apporté aucun changement. Pourquoi Parce que les moyens mis à notre disposition sont assez dérisoires. Nous l'avons démontré que les autorités ont fait des efforts. Parce que de 2011, le Fonds national de soutien aux personnes handicapées, qui a été institué en 1999, en 2011, ce fonds était de 30 millions. Aujourd'hui, le fonds a été relevé à 52 millions. Mais posez-vous la question, 52 millions de francs CFA pour réaliser les droits de 715 400 et quelques personnes handicapées au Niger, vous savez que c'est un pavé de la mare. Ce n'est pas possible. Donc, faute de moyens financiers, faute aussi, je veux dire, de volonté politique, il faut le dire. Parce que notre pays, euh, juste pour faire une petite comparaison, la Fédération du Bénin est venue au Niger dans une réunion et a appris que le Niger a institué un fonds national de soutien aux personnes handicapées. Lorsque la Fédération est retournée au Bénin, ils ont été reçus par euh, le président Boni Yahi, et il a offert un dîner pour euh, les personnes handicapées, le président Boniaï. Et au cours du dîner, la fédération a exposé le fonds de soutien aux personnes handicapées qui est institué au Niger. Il a dit, tiens, je veux aussi instituer un fonds au Bénin. Et figurez-vous, notre fonds en ce moment était de 30 millions et il a dit je vais instituer un fonds avec 1 milliard de francs CFA par an. Alors, il n'a pas pu réaliser les 1 milliard, mais il euh, approvisionne le fonds chaque année avec 300 millions de francs CFA. Ça veut dire 10 fois le Fonds national de soutien aux personnes handicapées institué ici au Niger. Et ils ont appris de nous. Ils ont copié avec nous. Donc, pour vous dire que je pense que la volonté politique n'est pas encore vraiment suffisante pour commencer ou pour euh, réaliser les droits des personnes handicapées. Face à cet exemple du Bénin, que comptez-vous faire ici au Niger Nous sommes en train de sensibiliser. Tout de suite, vous avez participé à l'exposé et vous avez vu un engagement palpable de la ministre de la Population qui vient d'être nommée récemment. Nous pensons que, avec son engagement, avec son écoute, on peut aller vers plus haute autorité avec le plaidoyer. Dites-nous, est-ce la première fois qu'un ministre ou une ministre vous fait des engagements Nous avons connu beaucoup de ministres et nous avons connu des ministres qui ont travaillé beaucoup dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Mais les ministres sont confrontés au problème des autorités, n'est-ce pas, au plus haut niveau. Donc les ministres ont l'habitude de nous faire des engagements, mais c'est pour la deuxième fois, j'ai vu Ahmed Boto aussi, quand il vient à des cérémonies, il dit je veux entendre des personnes handicapées elles-mêmes, pas des conseillers ou autres personnes. Et il reste jusqu'à la fin des cérémonies. Cette ministre vient de commencer de suivre son exemple parce que là, elle était restée, elle a passé beaucoup de temps avec nous et nous pensons que elle a été suffisamment informée et nous allons continuer les discussions parce que c'est de la collaboration entre la Fédération des jeunes des personnes handicapées et le ministère de la Population. Nous pensons que la collaboration va se poursuivre jusqu'à ce que nous puissions effectivement faire entendre raison aux plus hautes autorités de l'État que quel que soit le développement qu'on veut réaliser pour le Niger, si on oublie les personnes handicapées, ce développement ne peut pas être un développement durable parce qu'il y aura au moins 4,2% de la population nigérienne qui aura été omis. Dites-nous où en êtes-vous par rapport à votre direction au niveau du ministère Nous avons vu ou entendu que suite l'avant-dernier Conseil des ministres, il a été adopté l'arrêté fixant le fonctionnement de tous les ministères. Et malheureusement, dans l'institution d'adoption de ce décret, ils ont supprimé la direction en charge des personnes handicapées. Vous ont donné des raisons On a discuté avec la ministre et elle nous a pris un engagement de faire le plaidoyer pour que cette direction soit réhabilitée. Moi, je ne pense pas qu'il puisse avoir ou qu'il puisse exister des raisons pour supprimer la direction en charge des personnes handicapées. Je vais vous en donner des raisons. Vous savez que les femmes ont une convention, la CEDEF, et les femmes bénéficient d'une direction. Et même, on peut dire, d'un ministère carrément, parce qu'il y a le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Vous avez les enfants qui ont une convention et qui sont également pris en charge par une direction. Et vous avez les personnes handicapées qui sont plus vulnérables, que les problèmes des personnes handicapées se trouvent être plus importants et on supprime. Et les personnes handicapées aussi ont une convention qui a été ratifiée par le Niger avec son protocole facultatif et sans réserve, s'il vous plaît. Le Niger a ratifié la convention relative aux droits des personnes handicapées sans réserve et on vient, on supprime la direction en charge des questions du handicap. Pour nous, ce n'était même pas une question que nous, on regarde faire, où on croise les bras et on regarde la direction. C'est comme si nous avons fait huit ans de recul. Donc, où en êtes-vous Nous pouvons considérer ça d'ailleurs comme un malentendu. Je pense, parce que la ministre nous a dit vraiment considérer ça comme un malentendu. Nous allons faire le plaidoyer et la direction en charge des personnes handicapées sera réhabilité. Nous croyons en elle, nous croyons en ses engagements, mais nous sommes aussi attentifs et nous restons mobilisés. Parce que nous, personnes handicapées, vu la longue discrimination dont nous avons été victimes, nous préférons être toujours mobilisés. Nous avons voulu carrément passer les l'éponge sur la journée nationale des personnes handicapées. Nous avons donné des instructions à l'intérieur du pays, mais suite à l'engagement de la ministre, nous sommes vraiment confiants, nous avons confiance. Nous avons demandé à tous nos membres de fêter la journée du 31 comme euh, il se doit. Et d'ailleurs, nous allons organiser le 3 août une prière collective pour la paix et la prospérité au Niger à la grande prière. Sidonou Mourou, secrétaire général de la Fédération nigérienne des personnes en situation de handicap, interrogé par Laurent Ibrahim Gado. Interrogeons-nous euh, à présent euh, sur ce phénomène qui se passe souvent dans notre société. Il s'agit de cas de femmes qui, après avoir accouché, euh, abandonnent leurs enfants ou les jettent soit dans des WC, soit dans des caniveaux. Des actes sans doute graves que commettent certaines femmes qui tombent enceintes enceinte hors mariage. Ces genres d'actes sont aussi assimilés aux violences familiales. Diallo Mariama Kenda s'est entretenu avec Mariama Moussa, présidente de l'ONG FEV, Femmes et enfants victimes de violences familiales. Voici ce qu'elle a dit. Bon, au niveau de l'ONG SOS Femmes et enfants victimes de violences familiales, je me souviens bien d'une histoire de bébé jeté dans un puits. Ça fait longtemps à Matamai. C'était aux environs de 2004. On était parti pour euh, des séances de sensibilisation dans le département du Matame. Et une fois arrivé là-bas, le lendemain, on nous a signalé un cas de bébé jeté dans un vieux puits. Et quand les enfants partaient à l'école, chaque matin, ils entendent les pleurs de ce bébé. Il a fallu au bout de trois jours pour qu'on sache réellement que c'est un bébé qui est jeté dans ce puits les enfants ne cessent d'informer, d'alerter les grandes personnes, leurs parents, les notables du quartier se sont réunis pour écouter. Il faut vraiment prendre euh, les dires de ces enfants-là. Et quelqu'un s'est porté volontiers pour rentrer dans le puits. Et avec une longue torche, il a retrouvé l'enfant, c'était une fillette. Quand ils l'ont sortie, elle a des vergetures partout. Et maintenant, après investigation, la mère a été retrouvée. C'était une femme dont le mari était parti en exode. Or, tu sais que eh, mettre au monde un enfant hors mariage dans nos sociétés, c'est quand même une grande honte. Et pire encore, une femme mariée qui se hasarde à faire de l'adultère jusqu'à tomber en grossesse et mettre au monde un enfant, ça c'est encore délicat. Comme la femme ne sait pas à quel sens se vouer, elle a préféré jeter l'enfant dans le but. Hein, c'est le bon Dieu qui fait tout. Il est sorti sain et sauf depuis. Maintenant, comment faire le baptême Les villageois se sont dit, ah, qu'est-ce qu'il faut faire Ah non, il ne faut pas lui, donner, lui attribuer un nom. C'est un enfant né hors mariage, c'est un ceci, cela. On ne sait même pas quelle qualification donner à cette affaire-là. Ils ont dit, elle a, elle a fait l'adultère, elle a commis un acte d'adultère, donc il faut laisser l'enfant comme ça. Et au niveau du CSI, les gens m'ont rencontré pour me dire, Madame, qu'est-ce qu'on fait J'ai dit, votre problème, c'est quoi Le monde dit, comment attribuer un nom à l'enfant J'ai dit, l'enfant a droit à un nom. Il a droit à un nom partout dans le monde. Il a droit à un bon traitement. Et c'est la raison pour laquelle j'avais personnellement accepté de faire le baptême. J'ai acheté le petit mouton et on a attribué le nom à la fille. Elle s'appelle Nana Mariama. Il y a une dame qui m'a dit tout récemment qu'elle est vivante. Et c'est une fille qui est très brillante. Elle est même au collège. Il y a une famille qui l'a adoptée. Elle se trouve présentement à Zender. Selon vous, quelles sont les causes profondes de certaines situations je veux dire, de ces situations où des femmes abandonnent les enfants, où des femmes jettent leurs enfants Bon, vous savez, deux fois, euh, ces, actes commis par certaines femmes sont dus aux préjugés, à nos tabous. Et vous savez que notre culture ne cautionne pas le fait que une femme ait une grossesse hors mariage, c'est un. Et de deux, qu'elle s'adonne à la prostitution jusqu'à tomber enceinte comme la euh, femme sait qu'elle est stigmatisée dans la société, elle préfère vraiment jeter le bébé pour plusieurs raisons. D'abord, l'auteur de la grossesse ne veut pas reconnaître la grossesse. Il ne veut pas qu'on le traîne entre les murs du commissariat ou bien de la justice. C'est des charges. Surtout quand c'est un homme marié ou bien un jeune qui a peur de sa famille, si toutefois il dit à la femme, bon, écoute, moi je ne reconnais pas cette grossesse, et elle, une fois découragée, une fois dessus euh, de ce monsieur, elle préfère vraiment soit mettre fin à la vie de l'enfant qu'elle mettra au monde, ou bien le jeter pour s'en débarrasser. On parlera donc des pesanteurs socioculturels. Ah mais oui, eh, mais oui, vous savez que eh, la population nigérienne est à plus de 98% musulmane. Donc euh, c'est ce qui fait que les femmes ont peur eh, d'être jugées dans le mauvais sens. Mais dans ce cas, que peut-on dire de, l'éducation Parce que pour mettre un enfant au monde, au mariage, en arriver à cette situation, il y a un préalable. Est-ce qu'ici, on peut parler d'une éducation ratée on peut euh, parler de l'éducation ratée, mais il y a aussi la pauvreté. Il n'est pas toujours dit que les, les, femmes qui commettent ces genres d'actes ou de pratiques sont des femmes euh, alphabétisées. Peut-être que c'est des femmes issues d'autres villages, c'est des rurales. Et une rurale qui vient travailler euh, en ville et qui par malchance ou bien par accident hein, tombe enceinte elle a peur de retourner dans son village avec un, un bébé né hors mariage. Ses parents vont même la maudire. Oui, on a vu ce genre de cas. Une fille qui est tombée enceinte hors mariage, c'était une, une bonne. Elle est venue ici à Niamey et son village se situe à moins de 100 kilomètres de Niamey. Quand elle est tombée enceinte, euh, la femme chez qui elle est, qui est sa tante, l'a rejetée. Maintenant, l'auteur de la grossesse, lui aussi, il dit que non, il ne peut pas l'accepter. Il ne peut pas l'accepter. Alors, à qui la responsabilité Que les parents doivent prendre leurs responsabilités. L'éducation de l'enfant ne doit pas être ratée. C'est la raison pour laquelle les parents doivent vraiment mettre l'accent sur vraiment les dangers d'une sexualité précoce. On doit sensibiliser les parents le dialogue parent-enfant doit à tout moment prévaloir. Surtout les mamans. Quand tu as une jeune fille qui déjà a commencé à avoir ses premières règles, mais attire son attention. Pourquoi elles ont honte d'en parler à leur fille Le fait de, de, garder le silence autour de ça, c'est ça qui pose problème. Peut-être la fille, euh, en ayant ses premières, euh, ses euh, premières relations sexuelles, ne mesure pas vraiment le danger qu'elle encourt. Deux fois, c'est une seule fois qu'elle a eu à accoucher avec un homme et du coup, par accident, elle tombe enceinte. Nous avons l'habitude de rencontrer des jeunes filles vierges qui sont tombées enceintes. Et comment ça s'explique ah, mais même s'il n'y a pas eu une pénétration sexuelle de la part de l'homme, le sperme, en jouant le sperme est passé, la femme peut tomber enceinte. Donc, il va falloir expliquer tous ces aspects-là aux jeunes filles ne pas avoir honte. Mais en parlant, les gens vont se dire que ah, elle est en train de, de, mal parler aux filles, elle est en train de, de les inciter vraiment à la débauche. Non. problème que vous rencontrez, bien sûr, je parle des, ONG qui militent euh, dans ce sens. Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas un peu euh, confronté à des difficultés, à ce genre de problème où les gens pensent que parler de la sexualité, en tout cas faire sortir certains sujets tabous, euh, et participe peut-être à, promouvoir ou en parler, à faire une publicité autour Certaines personnes nous jugent très mal jusqu'à nous traiter de débauchés alors que nous, le fait de prévenir un danger, pour nous, vraiment, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien. Ah oui. Parler de la santé, de la reproduction, euh, la sexualité, la santé de la reproduction, la prévention du VIH-Sida, les dangers de la sexualité précoce pour la jeune fille. Où est le mal dans ça Pour nous, c'est une manière de sensibiliser euh, ce groupe cible-là par rapport aux dangers qu'il encourt c'est une manière de, prévenir, euh, c'est une manière de faire de la prévention par rapport à ces fléaux qui minent notre société. Et on doit même parler de ces thématiques-là au sein des familles d'abord. On ne doit même pas attendre que les ONG le fassent. En ce qui concerne cette question, l'action des ONG que vous êtes euh, par rapport donc à ce phénomène Nous, notre rôle, c'est d'amener la population à changer de comportement à travers euh, des séances de sensibilisation euh, pour un changement de, de, comportement. Tous les groupes cibles doivent être touchés, à savoir euh, les leaders d'opinion, les leaders religieux, et les groupements de jeunes, les groupements de femmes, tout le monde, parce que la lutte contre ce, ce phénomène nous engage tous. On doit travailler main dans la main. Euh, ces, jeunes filles nous appartiennent tous. Elles sont issues de notre société. Donc nous devons faire en sorte que ces filles-là vivent en harmonie dans la société. Mariam Moussa, présidente de l'ONG Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales, propos recueillis par Diallo Mariam Kenda. Parlons santé, parlons hypertension. L'hypertension artérielle, une, une pathologie cardiovasculaire définie par une pression artérielle trop élevée. Quelles sont les causes et les conséquences de cette maladie Comment se manifeste-t-elle Élément de réponse dans, ce cet entretien de Nafisa Damoussirfo Sirfo avec Dr Yerima Salifou. Bonjour docteur. Bonjour. En tant que spécialiste de la santé, dites-nous quand est-ce qu'on peut parler d'hypertension artérielle et comment se présente cette maladie en définition, c'est toute élévation des chiffres tensionnels supérieure ou égale à 14 pour la maxima et 9 pour la minima. Tension prise chez une personne détendue au repos après à peu près 15 minutes de repos, loin de toute situation d'excitation. Tension prise aux deux bras. C'est en grosso modo ça la définition de l'hypertension. Maintenant, l'hypertension en tant que telle, c'est quoi en termes littéraires C'est la pression artérielle. Donc c'est la force avec laquelle le sang circule dans les vaisseaux, notamment les artères. Donc les artères, c'est les vaisseaux qui envoient le sang au niveau de tous les tissus de l'organisme. Comme euh, tout tuyau dans lequel le circuit est liquide, il y a une pression. C'est cette pression avec laquelle le sang circule dans les vaisseaux qu'on appelle la pression artérielle. Maintenant, l'hypertension, c'est quand cette pression est élevée. Quelle est la cause euh, de l'hypertension En général, la cause n'est pas connue. En dehors de quelques cas où il y a des problèmes euh, des reins, qui peuvent donner une hypertension ou des problèmes de sérénal, c'est une, petite glande qui est à côté des reins, et d'autres pathologies un peu rares qui peuvent donner ce qu'on appelle hypertension secondaire, qui ont des causes connues, contrairement au grand nombre d'hypertensions qui sont appelées essentielles. Ça représente à peu près 85% des cas. La cause n'est pas connue. Comment un sujet peut savoir qu'il est hypertendu Il y a un certain nombre de signes qui attirent l'attention vers l'hypertension. C'est essentiellement les maux de tête fréquents, souvent inexpliqués, des vertiges, il y a ce qu'on appelle des palpitations, des exagérations des battements du cœur, souvent fatigue inexpliquée, la personne n'a rien fait, il, se sent fatigué, surtout en fin de journée. Donc toutes ces situations conduisent souvent à suspecter l'hypertension, surtout si on est en présence de ce que j'avais appelé tantôt une personne à risque, notamment une personne obèse, une personne de plus de 40 ans, une personne qui a ce qu'on appelle pas l'anesthésie familiale et qu'il y a des parents hypertendus, hein, frères et sœurs ou des parents directs parce qu'il y a quand même ce sont des, ce genre de choses qui amènent à penser que la personne est hypertendue et comme c'est quelque chose qui se mesure, il suffit de mesurer. Comment se fait donc cette mesure La mesure, ça se fait avec un appareil qu'on appelle le tonsomètre. Il y en a beaucoup de marques sur le marché. C'est un truc facile que presque n'importe quel agent de santé sait le faire. Juste un appareil qu'on place au niveau du bras après avoir satisfait à la condition dont j'avais parlé au départ, que quelqu'un est détendu, couché au repos. maintenant, il y a, sur le marché, il y a même des appareils automatiques, électroniques. Donc, vous placez seulement, vous, vous appuyez et puis ça vous montre les chiffres. Comme toute maladie, euh, est-ce que l'hypertension a des complications qu'elle euh, peut engendrer à long terme Les complications sont essentiellement de 3 à 4 euh, ordres et ça touche ce que nous appelons souvent les organes nobles, à savoir cerveau, où Vous avez sans doute vu des sujets paralysés tout d'un côté, ou complètement la bouche complètement tirée d'un autre côté, donc une déviation de la bouche, tout ça. Et ça peut avoir des répercussions sur le cœur, essentiellement tout ce qui concerne l'incidence cardiaque, les autres crises qu'on donne, on appelle la, fameuse crise cardiaque, euh, les morts subites, etc. Ça, l'hypertension peut donner. L'incidence rénale, c'est une des grandes causes de l'insuffisance rénale. Les malades que vous voyez souvent en dialyse, beaucoup, c'est l'hypertension qui les amène dans cet état. Beaucoup d'autres complications, hein. tout ce qui constitue une entrave à la circulation du sang, le sang c'est la vie. Donc euh, comment se fait le traitement de l'hypertension Il y a plusieurs volets. Il y a ce que nous appelons au départ si les chiffres ne sont pas très très élevés. Un volet hygiène de vie. Donc l'hygiène de vie, c'est quoi C'est un certain nombre de mesures pour pouvoir euh, essayer de rabaisser les chiffres tensionnels sans avoir recours aux médicaments. C'est le sport, contrôler ce qu'on mange, pas trop de gras, pas trop de sucre et surtout pas trop de sel. Est-ce qu'on peut dire que l'hypertension est une maladie à vie Oui, c'est ça d'ailleurs son problème. Il n'y a pas un ancien hypertendu. Dire que celui-là, il était avant hypertendu. Quand on est hypertendu, on pour la vie et on doit se soigner toute la vie. C'est ça sa particularité. On vit avec. Pour l'instant, ça se guérit pas, mais ça se contrôle. La personne peut mener sa vie tranquille, moyennant les mesures d'hygiène de vie et les traitements. Donc c'est une maladie chronique. Nous sommes euh, actuellement pendant une période de forte chaleur période euh, qui, nous savons, n'est pas tellement confortable pour les hypertendus, plus précisément pour les personnes âgées. Donc, euh, qu'est-ce qui leur est recommandé de faire euh, pendant cette période Pour les personnes âgées hypertendues, j'avais dit tantôt que l'hypertension peut avoir des répercussions sur les reins. De la même façon, les fortes chaleurs surtout chez les personnes âgées, chez qui la sensation de soif diminue. Donc, autrement dit, ils boivent moins. Donc, qui sont sujets à ce qu'on appelle un état de déshydratation, donc une perte, d'eau quoi, de l'organisme, sans tenir compte des autres actions, notamment les maux de tête qui vont se voir un peu aggravés, qui des fois chaleur aussi ont des répercussions sur le cerveau. Comment suivre ces personnes âgées pendant cette période de chaleur Il y a notamment une classe de médicaments qui, en forte chaleur, surtout ici chez nous, qu'il faut essayer de contrôler. Il y a ce qu'on appelle les diurétiques. C'est des médicaments qui peuvent engendrer aussi une fuite de l'eau, une fuite hydrique. C'est vrai, ils soignent l'hypertension. Mais à partir du moment où même mêmes ils provoquent une perte d'eau, la forte chaleur provoque aussi la même chose. Donc ce genre de médicaments, si une personne âgée est sous un diurétique, donc euh, son médecin traitant peut au besoin de changer un traitement, surtout en période de chaleur, ou à la limite lui conseiller de boire abondamment. À part ces personnes âgées, est-ce qu'il y a d'autres personnes à risque face à cette euh, maladie pendant cette période de chaleur tout hypertendie en période de chaleur, il, y a, il petit risque de la majoration des symptômes, surtout comme je le disais, maux de tête, etc., etc. Les enfants aussi ont un peu de problèmes par période de, de chaleur, mais heureusement, l'hypertension est un peu rare dans cette tranche d'âge. En gros, ceux qui sont exposés, c'est beaucoup plus les personnes âgées hypertendues traitement ou pas. Que faire pour le suivi d'une personne hypertendue en général Et Chez une personne hypertendue, souvent, pour blaguer un peu, souvent je dis, bon, quand tu es hypertendu, tu deviens l'ami de l'hôpital et l'ami des médecins. Puisque la prise en charge de l'hypertension, c'est non seulement les traitements, puis les visites fréquentes. Ce qu'on observe souvent, la personne vient, on lui met un traitement. Il y en a qui disparaissent en train de prendre ça pendant des années. Chaque fois quand ça finit, ils vont à la pharmacie, ils achètent, continuent. Il y en a qui font 5 ans. C'est vrai, ils sont en train de prendre des médicaments, mais c'est insuffisant. Et les traitements de l'hypertension, c'est plus de médicaments et contrôle. Est-ce qu'on peut parler d'espérance de vie pour les personnes hypertendues Bon, en général, euh, c'est vrai que l'hypertension, y égard aux complications qu'elle développe, et souvent même sous traitement, les personnes hypertendues ont moins de chances de vivre longtemps que les sujets indemnes de l'hypertension, puisque euh, c'est une situation un peu contraignante traitement suivi, traitement suivi régulier, vous voulez un traitement à vie, c'est un peu difficile. Il peut y avoir des écarts, ça peut arriver. Il peut y avoir des ruptures, il peut y avoir des négligences, il peut y avoir des oublis. Et tout ça, ça expose à des complications. Mais si la personne respecte son traitement, on peut vivre tranquillement. Merci, docteur. Merci. Vous venez d'écouter docteur Yerima Salifou qui répondait aux questions de Nafisa Adam Sirfo, entretien réalisé il y a de cela trois mois. les culture de cette édition, je vous propose l'entretien d'un artiste solo, un artiste pas comme les autres, âgé d'une soixantaine d'années. Boubacar Diallo fait partie des premiers pionniers de la musique traditionnelle du Niger. Il était dans les locaux du studio Kalangu il y a quelques mois. Ces pionniers de la musique euh, répondaient aux questions de Laurent Ibrahim Gado à l'occasion. Suivez. Monsieur Boubacar Diallo, parlez-nous de votre parcours musical. Quand est-ce que vous vous êtes lancé dans la musique je commençais à faire euh, mon carrière musicale en 1968. Pourquoi Parce que j'aimais la musique. Avez-vous rencontré des difficultés Bon, ça manque pas dans la vie. Pouvez-vous nous en parler Lorsque j'ai commencé à faire la musique en 68, j'étais en apprentissage avec euh, M. Oumar Hassan, le premier artiste de Niamey. Bon, je vais dire que je suis parmi les fondateurs de musique nigériens de 68 à 71, je suis allé en aventure. Où J'ai quitté ici, je fais Lomé. Je retournais à Ibadan, Nigeria, Lagos, et je retournais à Lomé, je continue sur Ghana, euh, Kumasi jusqu'à Abidjan. Pourquoi avez-vous quitté le pays Pour juste faire exercice de la musique. Je voudrais être un bon musicien. Qu'est-ce que vous avez appris à l'étranger À l'époque, je faisais mon premier instrument dans la musique, j'étais batteur. Je tourne seulement pour apprendre la batterie avec des gens qui sont forts. Quand vous êtes rentré, vous avez continué la musique Je fais la musique et on m'a conseillé de travailler dans une usine privée. Les parents, quoi. Ils ont demandé que je laisse la musique. C'est pas bon. Un musulman ne fait pas la musique. et vous avez fait quoi Je continue à travailler dans les usines et je fais toujours la musique. Dites-nous, quelles sont les thématiques que vous développez dans votre musique Je compose sur la vue du monde actuel. Je donne du conseil à la jeunesse et je suis de côté les marabouts toujours. Dites-nous, Monsieur Diallo, quelle est la place de l'artiste à votre avis et du musicien en particulier dans la société nigérienne Vous savez, ici là, avant, on n'a pas donné valeur aux musiques. Pourquoi parce que les gens ne connaissent pas le valeur de musique. Et jusqu'à présent, il y a ceux qui ne connaissent pas. Ils font seulement, mais ils ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne connaissent pas la valeur de leur travail. Sinon, la musique, c'est quelque chose qui sort la valeur des pays, qui présente les pays dans le monde entier. J'ai perdu ma famille. Depuis que j'ai l'ai perdu, je restais comme ça. Maintenant, ma famille, c'est la musique. Et le travail Parce que vous dites que vous faites autre chose à part la musique. Avant, maintenant, je fais rien que la musique. Pourquoi Vous avez cessé de travailler J'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai eu accident de travail. Maintenant, je ne peux pas faire euh, travail physique. Donc, euh, je suis obligé de concentrer sur les facilités. Là, c'est ma voix. Et même les percussions, je n'arrive pas à faire maintenant comme avant les musiciens donnent l'impression d'être mal compris ou mal aimés dans la société nigérienne. Est-ce votre sentiment Les musulmans n'aiment pas la musique. Ils ne veulent pas que leurs enfants fassent la musique. Or, la musique, c'est quelque chose très important. nous, on s'est concentrés pour continuer à faire la musique. Si on a suivi ce que les gens disent, on n'arrive pas à rien faire. On allait laisser depuis, mais ils refusé. Tout celui qui fait la musique au débit, il est embêté par sa famille. C'était là le vétéran chanteur Boubacar Diallo qui s'était entretenu avec euh, Laura Ibrahim Gado. C'est ici que se referme le forum de ce soir. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et bonne soirée.